Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Isidio Kalangou. Trois sujets ont dominé l'actualité cette semaine. La condamnation au Bénin des trois ressortissants nigériens employés de la société WAPCO au Niger. À suivre dans le forum de la presse, la célébration dimanche 16 juin de la fête de l'Aïd al-Adha, communément appelée fête de Tabaski au Niger. L'actualité, c'est aussi le bilan provisoire de l'organisation du Hajj 2024 au Niger. La phase allée s'est déroulée sans grande difficulté. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur Studio Kalangou commence dans un instant. 18 mois de prison assortie de sursis, telle est la sentence rendue lundi 17 juin par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette du Bénin à l'endroit de trois ressortissants nigériens employés de la société WAPCO Niger. Pour rappel, ils ont été arrêtés le mercredi 5 juin sur la plateforme de Semepoji. Ces trois personnes ont été poursuivies par la justice béninoise pour détention de fausses attestations et de complicité de faux certificats. Les deux autres Nigériens arrêtés dans la même affaire ont été libérés depuis le jeudi dernier. Madame Aminou Hadiza Ibra, la directrice générale adjointe euh, du WAPCO Niger, et ses deux compatriotes écopent de 18 mois avec euh, sursis. La Cour a suivi les réquisitions du ministère public. En revanche, elle a requalifié les faits et retient usurpation de titres et usage des données informatiques falsifiées. Comment les Nigériens ont-ils vécu toute la durée de cette procédure judiciaire? je veux dire, c'est avec une grande stupéfaction parce que tout simplement, c'est des Nigériens, des cadres nigériens qui travaillent pour WAPCO Niger, qui ont fait le déplacement pour aller contrôler le deuxième chargement du tanker venu prendre le, pétrole brut nigérien. Je me dis, ils ne peuvent pas se déplacer comme ça, sans autorisation, et qui viennent sur place, et que c'est sur le site même qu'on vienne les apprendre parce que c'est l'armée qui les a apprendés et qui les a confiés à la police et on a vu la procédure, c'est que ça a suivi. Ça montre la mauvaise foi tout simplement de Talon qui joue à un jeu qui n'est pas... Qui, Talon, le président, le président béninois, bien évidemment, je ne parle pas, il y a combien de talents dans ce monde-là Alors, quand on se retrouve dans une telle situation, on sait le jeu qu'il était, qu'il a voulu jouer. C'est du chantage qu'il a voulu faire comme les... autorités nigériennes. Mais bien évidemment, comme les nigériens n'ont pas voulu, les autorités nigériennes n'ont pas voulu ouvrir la frontière, il a estimé parce qu'on les a laissés venir. Ils ont fait toutes les formalités à l'aéroport, ils ont fait les formalités au niveau de l'hôtel, ils sont allés sur le site. Et on les accuse d'avoir suivi un passage frauduleux avec des documents et des badges qui n'étaient pas des badges, comme on avait dit, conventionnels, n'est-ce pas Alors, ça dénote quoi Parmi ces cadres, il y en a qui ont déjà fait le premier déplacement lors du premier chargement. Comment on peut arrêter des gens qui sont venus déjà une première fois et on qualifie d'abord, dans un premier temps, on dit c'est des terroristes, euh, je ne sais plus quoi, l'autre qualification. Et ensuite, quand c'est arrivé, parce que tout est faux, c'est cousu de fil blanc. Ils ne pouvaient pas. C'était une forme de, comment d'enchère, mais qui ne pouvait pas prospérer. La preuve, quand ils ont été présentés devant la, la criette, bien évidemment, ça ne pouvait pas prospérer parce que ça ne tient pas. Les arguments qui ont été avancés, ils ont requalifié les faits. Et même ça, parce qu'ils sont entrés sur le site avec le directeur général de Wopco Bénin, qui, et nous avons Wopco Niger, qui est le représentant de Wopco Bénin, c'est-à-dire l'équivalent. Alors, à partir de ce moment, on sent qu'ils sont dans une espèce de, comment dire, de bandade par rapport à la situation que l'économie béninoise est en train de vivre en pensant pouvoir prendre des Nigériens pour les garder en otage, que le Niger va lâcher prise et ouvrir la frontière, n'est-ce pas Malheureusement, ça n'a pas prospéré. Dieu merci, nos trois compatriotes, parce qu'ils étaient cinq, les deux ont été libérés, c'est les trois qui ont été retenus jusqu'au lundi, jusqu'à lundi, et lundi, quand il y a eu le procès, ils ont bénéficié, comme avait dit, d'une liberté, et, comme avait dit, d'une condamnation, mais avec sursis de 18 mois. Merci Moi, j'ai dit, ça ne tient pas la route. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo, Hassan Boukar. L'audience a duré 5 heures. Les prévenus ont tous plaidé non coupables. Quelle est votre opinion au sujet de ce feuilleton judiciaire Pour moi, les autorités du Bénin ferment encore davantage la frontière avec le Niger. En réagissant comme ça C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, débandade, comme le dit Ousseini. Euh, rappelez-vous de l'épisode de Jean envoyé le ministre, il n'a pas été reçu par le président. L'affaire de la frontière est fermée, mais le pétrole passe. Des simples agents de WAPCO qui arrivent. Je pouvais à la limite comprendre euh, qu'on les expulse de l'aéroport. On les a laissés faire toute cette procédure, ils ont déjà fait, puis vous les arrêtez. En fait, tout cela, en fait, c'est vraiment de la débandade, quoi de cette façon, je ne crois pas qu'on peut ouvrir la frontière du Niger. Et cette façon de faire, je pense que e, elle met aussi un peu de bâton dans les roues de ceux qui travaillent au Bénin comme au Niger à la réouverture de la frontière. Rien qu'avant-hier, euh, nos collègues de la société civile béninoise, je pense par exemple à Social Watch Bénin, ils ont lancé une initiative à l'endroit des ONG du Niger et du Bénin de signer une pétition pour désescalade. Avant, il y avait même des artistes euh, dans ce sens. Des, des artistes ont, chanté. En fait, vous avez des parts et d'autres, des gens qui disent écoutez, le Nigériens et les Béninois, c'est le même peuple. Ils ont vécu, euh, malgré quelques petits temps de tension, comme celui de l'été, ils ont vécu en symbiose. Les Nigériens ont besoin du Béninois comme les Béninois ont besoin des Nigériens. La géographie fait qu'ils seront éternellement nos voisins. Et donc, on n'avait pas besoin de ça. Alors, euh, Selon vous, euh, le président béninois, Patrice Talon, n'agit pas seul Moi, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, sincèrement, si vous dites, vous invitez des militaires à un coup de force, ils sont preneurs. Parce que c'est lui le civil. Ici, vous avez une équipe militaire. Si vous les invitez à une épreuve de force, je ne, crois pas qu'ils vont reculer dans une épreuve de force. Parce que ce que Talon fait, il invite en fait à une épreuve de force en disant... À quelle fin C'est ça la question en fait. Je suis en train de me dire, mais tous ces agissements-là, au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce qu'il donne raison à ceux qui pensent qu'il fait de la provocation au profit de quelqu'un Je ne sais pas qui c'est, quelqu'un. Mais au fond, je me demande qui gagne le Bénin en réussissant à faire fermer le passage du pétrole vers le, le, le, port de, de, Cotonou. Qu'est-ce qu'il gagne en arrêtant de simples agents Ce pas des officiels. Hein. Un ministre béninois est venu ici, il a fait sa réunion, il est parti tranquille. Qu'est-ce que gagne l'administration béninoise en faisant arrêter de simples agents D'autres ne connaissent peut-être même pas l'opinion sur ce conflit entre le Niger et le Bénin Quel est l'intérêt qu'il y a à arrêter des simples agents de, de, de, de Niger Et donc, au fond, moi, si vous voulez, ça, renforce encore l'incompréhension à mon niveau, parce que au vu de tout ce qu'on a vécu dans un passé récent, J'imagine qu'à Niamey comme à Cotonou, on devait travailler à calmer le jeu, puis à espérer la réouverture des frontières. Mais les actes qui sont posés aujourd'hui, en arrêtant davantage des, simples agents, ça montre vraiment une volonté de durcir le ton et karma euh, de, renforcer la rupture. Selon, à cette euh, allure. Euh, selon, selon vous, est-ce qu'on peut encore sauver le meuble comme on a coutume de le dire Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut sauver, Mokhtar. Au fond, si tout cela est fait pour ouvrir la frontière, je pense que c'est la plus mauvaise façon de procéder. Je pense que ça va davantage braquer les dirigeants nigériens, y compris l'opinion. Vous avez au Niger une partie de l'opinion qui dit, écoutez, autour de Gaïa, autour de Dosso, les gens souffrent, il faut quand même essayer de calmer les jeux et d'ouvrir les frontières. au Bénin, au Bénin, les gens disent la même chose. On dit il faut, il faut calmer. Vous avez une autre partie de l'opinion qui dit non, non, non, euh, au vu de tout ce qui s'est passé, gardez la frontière fermée. Je pense que c'est le deuxième camp qui est renforcé avec ces attitudes-là. Ils font aujourd'hui, ils donnent raison à tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas avoir une diplomatie honnête avec l'équipe des talents et qu'on ne peut pas ouvrir la frontière. Aujourd'hui, tous les actes qui sont posés vont dans le sens de renforcer le camp de ceux qui veulent que la frontière se fermée. Donc, je me demande au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière les agissements de Talon Merci beaucoup, Hassan. Hassan <laughs> peut-être euh, il y aura une euh, réponse à, votre préoccupation. Abdoulaye Soumana, les 18 mois avec euh, sursis sont synonymes de libération. selon nos informations, le procureur spécial a déjà signé dans la foulée leur ordre de mise en liberté. Ils pourront revenir au Niger. La Cour demande à la police judiciaire de leur restituer leurs effets personnels. Selon vous, peut-on parler de soulagement à l'issue de cette affaire Oui, on peut parler un tant soit peu de soulagement, étant donné qu'au Niger, les esprits étaient tendus avec euh, l'interpellation de nos compatriotes qui étaient partis pour être témoins du deuxième chargement, du brut euh, nigérien au profit de la partie chinoise. Quand le 5, ils ont été interpellés, le jeudi ils ont été mis dans les mains de, de la brigade économique euh, et financière. Le jeudi, ils ont été présentés, et le, le, procureur spécial de la Criette a fait un point de presse au cours duquel il a donné quelques éléments préliminaires, n'est-ce pas, d'appréciation par rapport euh, à, la mission de nos compatriotes. Et le jeudi 13, ils ont comparu, n'est-ce pas, ils ont comparu les cinq, ont comparu devant le procureur euh, spécial de la Criette. Deux d'entre eux ont été, n'est-ce pas, euh, libérés. libérés. Et Trois autres, dont la directrice générale adjointe de WAPO Niger, chef de mission, si je m'abuse, ont été, n'est-ce pas, mis sous mandat de dépôt et renvoyés à un second procès pour le lundi 17 euh, dernier et dont vous venez tout à l'heure de donner le verdict 18 mois à euh, sortie de sourcils de et également d'un, comment est-ce qu'on appelle euh, d'un retour au pays le même 17. Euh, Je ne sais pas si nos compatriotes sont déjà rentrés, mais j'imagine qu'ils doivent être sur place. C'est un soulagement sur ce point, c'est également un soulagement dans l'esprit de nos compatriotes qui ont vu au moins notre, nos compatriotes revenir au Barcaï et qui étaient les mailles, n'est-ce pas, donc les griffes de, des autorités béninoises. Maintenant, oui. Allez-y, allez-y. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut, faut retenir C'est que on ne comprend pas le jeu du président Talon, puisque c'est lui qui est le chef d'orchestre, celui qui organise, il chante, il danse. Et eh à qui profite euh, tout tous ces là Je viens de dire que celui qui chante et celui qui, danse, au niveau, au niveau du Niger, je crois que les autorités sont sereines et elles ont toujours euh, dit qu'elles ont respecté de bout en bout le contrat, n'est-ce pas, qui lie le Bénin au Niger dans ce projet de, de pipeline, et que de l'autre côté, c'est la partie béninoise. Tout le monde est témoin du durcissement de temps, n'est-ce pas, des actions que le Talon est en train de, de, de, faire pour un temps soit je crois, n'est-ce pas, faire plier nos autorités par rapport à cette question de réouverture qu'il est en train de chercher vaille que vaille, de, la, de la frontière du Niger. Si de son côté, lui, le Bénin, il a estimé qu'il a ouvert la partie béninoise, la partie nigérienne reste pour des raisons sécuritaires selon nos, nos dirigeants. C'est un soulagement. Maintenant, c'est fini, certes. Mais euh, Ablaï Soumana, quel avenir pour les relations entre le Niger et le Bénin je crois qu'il faut dire l'avenir immédiat. Pour l'instant, je crois que euh, ça va être un peu difficile de <laughs> voir une certaine euh, lueur, hein, une certaine éclaircie, étant donné que euh, les militaires sont fermes sur leur position par rapport à cette question sécuritaire et de l'autre côté, et Patrice Talon est en train de monter les enchères et chaque jour qu'il fait, il sort, n'est-ce pas, un autre scénario pour pouvoir, n'est-ce pas, corser la main aux, Nigériens. Merci beaucoup, Abdoulaye Soumana. Hussein Issa quel avenir pour les relations entre le Niger et le Bénin Rapidement. Oh, ce que je veux dire, c'est que le Bénin et le Niger, Abba vient de le dire, c'est qu'on est quand même, euh, n'est-ce pas, dans la même zone géographique des voisins avec des familles de part et d'autre à de Gaïa. Mais malgré, malgré, tout, il y a eu un réchauffement des Non, non, mais je vais dire une chose. C'est un bonhomme qui est venu, qui est, qui, qui, est sorti de quelque part là. Il y a des élections, il a eu de l'argent, il est venu, il a... Mais, il est avant tout béninois. Mais, non, mais d'accord, mais il est béninois de... de, de voilà, il est béninois, ok. Mais ce qui est sûr, c'est que l'avenir, dans tous les cas, on ne va pas rester éternellement comme ça, à se regarder en chaîne de France. Ça va peut-être durer. Parce que ce que les Nigériens exigent, les autorités nigériennes, et ils disent avoir les preuves. C'est de dégager tout simplement les, les, bases militaires qui ont été françaises. Mais, ils n'ont pas ce droit euh, d'accueillir qu'ils veulent. Non, mais ils peuvent les mettre quelque part. Pourquoi les, amener Moi, bon, il y a eu des points de presse, il y a eu des explications, qu'il y a des installations qui ont été faites. Ils ont les. Bon, moi, je ne peux pas vérifier personnellement. Mais je veux dire une chose. Rapidement. Dans, cette histoire, on a comme l'impression que Talon est dans un jeu. Et le jeu de Talon, c'est le jeu des Occidentaux. qui, profite ah. Le jeu des Occidentaux, n'est-ce pas Moi, je dis quelque part, c'est le jeu des Occidentaux. On a vu un peu quand la CEDAW a pris ses sanctions, s'il y a un pays qui ne devait pas fermer sa frontière immédiatement, c'est bien évidemment le Bénin, n'est-ce pas Parce que c'est le Bénin, notre port naturel, sous Cotonou. C'est le Bénin qui s'est précipité pour fermer le Chacham Peknama qui avait des milliers de camions qui avaient déjà quitté le port et qui, venaient au Niger. Alors, il pouvait même laisser passer ces camions-là. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Ça, c'était un premier acte. Le deuxième acte, rapidement, n'est-ce pas Tout le monde a compris. Il y a des produits qui ont pourri là-bas. Il y a des médicaments et tout et tout. N'est-ce pas Le deuxième acte, pendant qu'il dit qu'il n'y a personne, les gens peuvent venir vérifier et tout et tout, voilà ce qu'il pose comme acte. Alors, Abba vient de le dire également, je confirme, il veut durcir les choses. Et c'est sur instruction certainement des Occidentaux. Le pétrole a commencé à couler. Dans un premier temps, il a dit que le tanker, le premier tanker même, on a vu, qu'il n'allait pas être chargé. N'est-ce pas Il a fallu qu'une délégation chinoise vienne pour qu'il accepte que le premier tanker charge. Il y a eu des négociations ici à Niamey où son, ministère de, son ministre de Mines est arrivé pour négocier. On a calé les fréquences et tout et tout n'est-ce pas Et c'est dans ce cadre-là que les Nigériens, les cinq experts nigériens, sont partis pour contrôler. Et là-bas, sur place, on leur dit non. Ils ont négocié qu'ils ne vérifient pas, n'est-ce pas Indépendamment du fait qu'ils jouent le jeu des Occidentaux, mais aussi ses intérêts personnels. Parce qu'il y a des, informations qui font état que dans ce chargement-là, il va gagner 11 000 barils. Mais ce ne sont pas des, informations officielles. Non, non, mais, non, mais moi je me dis, ça n'a pas été démenti dans tous les cas. Tout ça là, parce que c'est un homme d'affaires. comment, moi, mon produit, on me dit que je ne peux pas contrôler le chargement. Ça signifie quoi Ça signifie tout simplement que dans ce jeu-là, c'est pas lui seul. Il ne faut pas perdre de vue que ça a été signé sous l'ancien régime, le régime dessus, et que c'était, ça allait couler comme l'eau de source s'il n'y avait pas eu ces événements-là. Merci beaucoup à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet, la condamnation au Bénin des trois ressortissants nigériens employés de la société WAPCO Niger. Chers auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore deux sujets à aborder. On observe une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur Studio Kalangou. À l'instar des autres euh, musulmans du monde entier, la Ouma islamique euh, du Niger a célébré dimanche 16 juin la fête de l'Aïd al-Adha ou fête de Tabaski. Cette euh, journée de commémoration marquée par des prières et des sacrifices représente un moment important de solidarité et de partage dans la foi musulmane. Parmi les fidèles présents à la grande mosquée de Niamey, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, a honoré de sa présence cet événement religieux significatif. Hassan Boukar, dans quelles conditions les Nigériens ont-ils célébré la fête de Tabaski cette année au Niger Merci Mokhtar. Je pense que <clears throat> ce pays sort quand même de, de, 7 à 8 mois d'embargo. Ça a été un moment extrêmement difficile pour les Nigériens. Certains ont peut-être perdu leur emploi. C'est donc un contexte vraiment difficile. Mais aussi euh, pour les millions de Nigériens qui vivent dans le monde rural, y a quand même la chérité de la vie. Les denrées coûtent extrêmement cher sur le marché. Et donc ce contexte est quand même un contexte euh, vraiment difficile pour les citoyens de façon générale. Euh, au-delà de ça, euh, on vient de le dire, par exemple, le port de Cotonou est toujours, la, frontière est fermée, donc il faut faire des détours pour aller au port et acheter des vivres, notamment au port de Lomé pour arriver. Il est vrai que la frontière du Nigeria, d'autres frontières sont fréquentées par des citoyens, mais par exemple euh, autour de Dosso, autour de Gaïa, où les gens euh, ont pour marché naturel euh, le Bénin, c'est donc un moment difficile à mon avis. Et je pense que quand on prend un peu les régions centrales du Niger, la zone de Maradi, Zender et peut-être plus à l'est, les gens partaient vendre le bétail. Il y en a qui font le commerce de moutons pendant cette fête, qui partaient au Nigeria. Avec la chute de la Nera, la Nera a beaucoup perdu de sa valeur par rapport au franc CFA et au dollar. Du coup, je pense que certains ont dû changer de marché et préférer le marché national nigérien au marché du Nigeria. Donc c'est un contexte, je crois que les gens l'ont vécu de façon diverse en fonction des, des intérêts en fonction des zones dans lesquelles ils sont et des conditions dans lesquelles ils vivent. Donc, euh, mais c'est une fête religieuse. Je pense que chacun appuie selon ce qui est possible, euh, réussir à égorger les moutons pour les uns. Mais l'islam dit ceux qui n'ont pas les moyens, ce n'est pas une obligation, ça s'adresse à ceux qui ont la capacité de le faire. Je pense que chacun a essayé, selon les moyens de bord, de faire euh, cette fête du mouton. Merci beaucoup, Hassan Boukara Ablaïsoumana. Cette année encore, plusieurs ONG nationales ont, à travers des caravanes à Niamey comme à l'intérieur du pays, sensibilisé les Nigériens sur la surconsommation du bois pour la tabaski. Que faire pour un changement de comportement en faveur de la préservation de l'environnement Oui, Mokhtar, il faut continuer la sensibilisation. Ensuite, euh, privilégier euh, l'utilisation en pareille circonstance, n'est-ce pas, de la fête de Tabaski, de privilégier des autres euh, moyens, n'est-ce pas, à savoir euh, le, charbon, minéral. Et depuis un certain temps, les Nigériens sont en train de s'accoutumer à, À cette euh, utilisation le ministère de l'Environnement est également en train de plaider pour que qu'il y ait, la du, reboisement. Des ONG se sont invités dans... À travers le Tabaski Écolo. Tabaski Écolo, effectivement, où les gens ont ont planté. Ils ont distribué des plants, ils ont planté. Tout à fait, ils ont planté. Donc, c'est ce genre de comportement, ce genre d'initiative qu'il faut encourager, qu'il faut perpétuer et puis pérenniser. C'est ça qui est le plus important. Et en même temps, faire en sorte qu'on on tourne dos, n'est-ce pas, à cette utilisation abusive, n'est-ce pas, et, de, du, bois. de chauffe, et venir même à, à, zéro, à zéro consommation de, bois pour prendre uniquement le charbon minéral. Zéro grillade. pas zéro grillade. Bon, c'est vrai, hein. <laughs> au, Niger, au Niger, ce n'est pas toutes les localités qui, qui, grillent, même les... C'est devenu culturel euh, dans certaines localités. Oui, euh, si on prend les, si, oui, les régions de l'Ouest, ah si on prend l'Est, à euh, Zender, que je connais, très bien, c'est la bière crue et qu'on distribue, qu'on partage le, le, lendemain. Zender, euh, Difa, euh, c'était une partie de Maradi, je crois, euh, Donc voilà ce qu'il faut, il faut, il faut privilégier. Merci beaucoup, Ablaï Soumana, Sajibou. En dehors de la forte consommation du bois, ce sont plusieurs centaines de tonnes de déchets solides et liquide que les populations produisent ici à Niamey pour la seule journée de la fête. Comment amener les Nigériens à intégrer les notions d'hygiène et assainissement dans le comportement de tous les jours ah, Tu poses une question difficile là. Comment on peut amener des gens qui considèrent que c'est tout à fait normal mais, il faut un changement de comportement. Il y, a la sensibilisation. Ce n'est pas que les gens ne sont pas sensibilisés. Mais les gens pensent que c'est tout à fait normal, les, viscères dont j'ai pas besoin, tout ce qu'il y a comme entrailles ou autre, je peux aller, il y, a, un caniveau à côté de chez moi, je peux aller déverser ça, les cornes du bétail, je peux aller déverser ça dedans. C'est pas que les gens ne sont pas sensibilisés, n'est-ce pas C'est parce que tout simplement... Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Moi, je me dis, quelque part, il n'y a pas de sanction. On laisse faire. Tant qu'on laisse faire, parce que c'est ça qui nous a plongé dans cette situation. À l'époque, à Niamey, il y a des points de, déversoir. Mais tu vas trouver toujours, il y a quelqu'un qui est là pour surveiller, qui est pris par la municipalité, là, où il est là, il est payé. Vous ne pouvez pas déverser n'importe où vos déchets. Il reste même dans les maisons, les agents d'assainissement pour vérifier. Mais quand tout ça là, on a abandonné pour considérer que les gens vont. Mais moi, je dis, c'est bien de dire la sensibilisation, la sensibilisation. Mais ce n'est pas que les gens, les gens sont imperméables. Imperméable, c'est-à-dire, mm. expliquez-nous, qu'est-ce que vous voulez dire C'est-à-dire que vous, avez beau les sensibiliser, ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire, ils considèrent. selon vous, c'est la sanction qui manque C'est la sanction. Tant qu'il n'y a pas de sanction, moi, j'ai dit, on a beau dire, il faut sensibiliser, il faut sensibiliser. Même des intellectuels, hein. même des intellectuels, ce n'est pas seulement les gens qui ne sont pas allés à l'école ou les paysans, c'est pratiquement c'est un phénomène, euh, le fait de comprendre que le maintien de l'environnement propre, là, c'est d'abord une affaire de santé. Quand ton environnement est sain, c'est que ta santé même est préservée. Mais ce n'est pas que les gens ne comprennent pas. Mais les gens le font en se disant, bon, il y a, y a, des compétences, il y a des autorités, il y a des structures qui doivent s'occuper de ça. Alors que, personnellement, en tant que citoyen, tu dois te dire que si je mets mon endroit propre, si je maintiens mon endroit propre, n'est-ce pas Ça peut amener l'autre aussi. Quand il constate que toujours c'est moi, je suis propre, il va amener l'autre. Mais les gens, ça, des gens sont même capables, quand devant chez toi est propre, de venir te jeter des ordures. Alors, quand on est dans ce comportement ou dans, dans un tel contexte, dans, un tel souci, on se dit qu'il faut forcément sanctionner. s'agit pour Tabaski 2024, la fête a-t-elle été au rendez-vous ah, Tout à l'heure, l'autre a dit on était sorti, on est dans un contexte toujours. De transition. de difficultés, non, des difficultés. Il y a, aussi la transition. Mais, non, mais, mais c'est ça, c'est lié. C'est lié, la transition. On a connu comment des fermetures, les sanctions, CDAO et tout et tout, n'est-ce pas Il y a la de la vie qui est venue du fait de ces sanctions, fermeture de frontières, du fait de ces sanctions-là, la vie est devenue plus chère parce que les produits coûtent cher, les aliments coûtent cher, n'est-ce pas Mais alors, quelqu'un qui a un salaire, on connaît un peu la modicité des salaires des Nigériens l'écrasante majorité des Nigériens. Et la cherté du bétail. mais bien évidemment, la cherté du bétail. Cette année, moi, je vais te dire, il y a beaucoup qui n'ont pas, pas, qui n'ont pas sacrifié. Il y a beaucoup. Des gens qui ont l'habitude de faire deux, malgré tout, euh, toutes les bêtes ont été achetées. Non, non, euh, non. Euh, sur les différents marchés à bétail. Il y avait une, pénurie. Non, il n'y a pas eu de pénurie. Ceux qui disent qu'il y a pénurie, ils n'ont pas visité d'autres coins. Moi, j'ai fait le tour ce jour-là. Non, il n'y a, a pas de pénurie, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. On est dans une situation où, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est une fête qui est intervenue au bon milieu du mois, n'est-ce pas ça dit le, le 16, je ne sais pas sur le 16, non Alors, le 16, il reste quoi dans le salaire Si ce n'est pas dans le salaire précédent, le salaire qu'on a perçu dans l'autre mois, si ce n'est pas dans ça qu'on a acheté le, bétail, ça veut dire qu'il faut aller s'endetter. Il y a beaucoup qui se sont dit, bon, ce n'est pas la peine. Dans tous les cas, c'est quand il y a qu'on peut faire. Quand il n'y en a pas, on se contente, bon, de, au moins c'est une fête. selon vous, la fête n'a pas été vraiment au rendez-vous euh, pour les populations euh, au Niger ah, Mais je ne peux pas généraliser. Pour le cas de Niamey, et à l'intérieur du pays, je sais que c'est difficile, avec la cherté de la vie, parce que les gens vont calculer le sac de maïs qui fait 40 000 le sac de, comment avez je dit le sac de qui fait, qui fait 35 000, au-delà de 35 000 dans certains endroits. Le sac de riz qui, qui aussi autour de 20 000. Alors, est-ce que ces moutons, je vais acheter ou bien je vais acheter mon merci, sac Merci beaucoup, Ousseini Sajibou. Merci, Hassan Boukar. Rapidement, en une euh, minute, votre opinion sur la surconsommation du bois de chef euh, le jour de la fête À mon avis, ce n'est pas seulement le jour de la fête. Le gouvernement peut utiliser aujourd'hui, par exemple, le gaz et réprimer l'utilisation du bois. C'est-à-dire il faut promouvoir le gaz, faire en sorte qu'il soit vraiment accessible pour les ménages. Il faut faire la communication, y compris sur l'usage. Vous avez amélioré, tout le monde n'est pas habitué. Le gaz, ça peut être un produit dangereux lorsque les gens ne sont pas bien préparés. Il faut préparer, éduquer les gens à l'usage du gaz, faire beaucoup de communication de façon à ce qu'on puisse vraiment préserver ce qui reste de bois dans notre pays en utilisant le gaz pour la cuisine. Et ça, c'est vrai que le gouvernement gouvernements le faire euh, les ONG peuvent aussi faire ce travail. Mais le gouvernement, par exemple, peut agir sur les prix. Regardez, un moment, on a fait la bonbonne de, 6 kilos à moins de 2000 francs. Aujourd'hui, euh, le gouvernement laisse la surenchère sur les prix. Et donc, du coup, s'il veut en faire une politique nationale, c'est à lui de veiller à ce que les prix restent bas. Si les prix restent bas, je pense que beaucoup de gens reviendrait demain mais je pense que sans contrainte, vers l'utilisation du gaz domestique. Donc il y a un travail à faire de ce côté je pense que l'État a un rôle à jouer. Merci pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. Le commissaire à l'organisation du Hajj et la Umra euh, du Niger, Sheikh Ben Salah, a déclaré samedi 15 juin que les choses se sont passées dans les règles de l'art, rapporte l'agence nigérienne de presse. Il a fait remarquer que cette réussite est à mettre à l'actif de tous ceux qui ont intervenu et interviennent encore dans l'organisation de cette édition du Hajj. Cependant, il a relevé que malgré toutes les dispositions prises par les autorités saoudiennes, des personnes ont pu tricher, soulignant que les Saoudiens lui ont fait cas de la falsification de 100 barges de pèlerins nigériens. Sheikh Ben Salah a annoncé que dès aujourd'hui, 21 juin, il y aura le premier vol retour au cours duquel quelques 700 pèlerins vont retrouver leur famille, toujours selon l'agence nigérienne de presse. Ablaï Soumana, pour la phase aller, les choses se sont passées dans les règles de l'art, a déclaré le commissaire à l'organisation du Hajj et la Umbra, Sheikh Ben Salah à l'ANP. Que peut-on retenir au sujet de l'acheminement des pèlerins nigériens en terre sainte de l'islam cette année Oui, il faut d'abord se, se du fait que pour euh, la première fois, il me semble, hein, de, l'organisation, n'est-ce pas, donc euh, du, Hajj, que tout est tout s'est bien passé de bout en bout. Il faut peut-être mettre ça à l'actif de, de chaque euh, ben, ben Salah. qui s'y connaît, et je crois bien, ce qui fait dire qu'il faut mettre les hommes qu'il faut à la place euh, qu'il faut. Le premier... les autorités. Oui, les votes du, du, CNSP qui ont quelque peu allégé, n'est-ce pas, donc euh, certaines, euh, comment est-ce qu'on appelle, les difficultés, n'est-ce pas, inhérentes euh, habituellement à cette, euh, au Hajj. selon vous, tout, tout s'est globalement déroulé comme prévu en tout cas, pour l'instant, on estime que le premier vol ayant eu lieu le 22 mai et que maintenant il annonce que le 21, le 21 juin, il y aura le premier vol de, retour. Donc on est, que, Avec environ 700 pèlerins. Oui, donc, donc on ne peut que saluer, n'est-ce pas, ce, ce, ce, ce point-là. beau le commissaire à l'organisation du Hajj et la Oumra euh, du Niger, Sheikh Ben Salah, a relevé que malgré toutes les dispositions prises par les autorités saoudiennes, euh, des personnes personnes ont pu tricher, soulignant que les Saoudiens lui ont fait cas de la falsification de 100 badges de pèlerins nigériens. Comment expliquer de tels comportements Comment peut-on expliquer de tels comportements C'est des pratiques qui ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a quand même, je veux d'abord souligner que ça c'est même, même, pour ceux qui vont à la Mecque euh, chercher la bénédiction divine. Euh, quelle bénédiction divine Déjà, on vont aller faire commerce. Ici, là, on a pris combien de sardes de cola et d'autres produits. et d'autres produits. oui. Alors, quand déjà, il y a beaucoup de gens, c'est pas pour prier. Ils vont pour faire des affaires. N'est-ce pas En lui a place du, du, du Mais quel âge Ils vont parce qu'ils peuvent, ils se disent, c'est là-bas, on peut faire des affaires intéressantes. N'est-ce pas On a de tout temps sensibilisé. C'est pour ça, souvent, quand les gens me parlent de sensibilisation, je dis non. C'est pas que les gens sont sourds, mais ils s'en foutent ils ont leur objectif. Le déplacement, ils vont payer parce qu'ils savent que quand ils vont aller sur là-bas, il y en a qui tentent même de passer avec des aphrodisiaques et tout et tout. Ils qui vont avec des aphrodisiaques et même des drogues, n'est-ce pas Vous pensez que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter parce que quelqu'un est venu dire non, voilà ce qui est interdit. Tout le monde sait ce qui est interdit. Pendant la préparation, là, pendant les préparatifs, on leur explique. Voilà les produits qu'on ne peut pas. Voilà, avant même le départ ici, on a trouvé combien de sacs de cola Est-ce que ça n'atteint pas une tonne qu'on a arraché ici à l'aéroport Est-ce que ces gens-là ne sont pas sensibilisés, n'ont pas été sensibilisés qu'on ne doit pas transporter la cola et tout et tout mais pour les BAD, c'est la même chose. Mais est-ce qu'on a interdit le transport de cola Peut-être que c'est la quantité euh, qui diffère. Mais je crois qu'on a interdit karma. Parce que les gens, comme ils fraudent là, on a karma interdit. Mais les gens, quand même, malgré tout, ils ont décidé d'emporter. Mais les badges aussi, c'est un circuit certainement. C'est pas autre chose. Quelqu'un a mis en place un circuit qui peut lui rapporter, comme avait dit, de l'argent. Parce que en fonction, <laughs> là-bas, bon, je n'ai pas été, mais on dit que en fonction de, quel pays tu viens, il y a plus de machin. Il y a des pays où, quand les autorités saoudiennes, ils ont plus confiance en ces, en ces pays-là que d'autres pays, n'est-ce pas moi, je me dis, c'est dans ce cadre-là qu'il y a des gens, des petits malins, qui sont peut-être des Nigériens, qui ont falsifié les documents. Mais c'est comme l'affaire des passeports, n'est-ce pas Et de la carte d'identité nationale. Que des gens, ils, fabriquent pour donner, octroyer à, on comme avait dit, à, à des, des restrictions d'autres pays. Moi, je me dis, c'est dans ce cadre-là, certainement, des gens ont trouvé que c'est un circuit, c'est un créneau porteur où, bon, ils vont se faire de l'argent pendant cette période. Ils se sont mis ensemble pour pouvoir faire ces badges-là. C'est des choses qui peuvent échapper à l'organisation du Hajj. Mais je me dis globalement, en tout cas pour la première phase, le départ, l'hébergement, la restauration, contrairement aux autres années, cette année, on n'a pas entendu comment dire, de, complaintes. Il n'y a pas eu de complaintes. Les pèlerins sont partis en temps opportun. Il n'y a pas eu ce qu'on a connu par le passé on n'a pas entendu que des pèlerins dorment sous des ponts ou sous des, dans des halls. Ils ont été bien hébergés, j'imagine. Ils ont été bien restaurés. Je me dis, c'est déjà ça. Mm. Maintenant, certainement que le retour aussi ne va pas poser de problème parce que tout simplement, l'avionneur qu'on a... On sait les problèmes, comment ça arrive. Quand on décide de les régler, on peut les régler de manière durable. Maintenant, ça, c'est un épiphénomène, ces, ces, ces, histoires de badge-là. Merci beaucoup Ousseini Sajibo, Hassan Boukar. Le commissaire Cheikh Ben Salah a déclaré à cette occasion que dès aujourd'hui, 21 juin, qu'il y aura le premier vol retour au cours duquel quelques 700 pèlerins vont retrouver leur famille. quelle est votre opinion au sujet euh, du bilan à mi-parcours dans l'organisation du Hajj 2024 au Niger Je pense que c'est un bon bilan, pour moi en tout cas. Et j'ai l'impression qu'il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est le choix du transporteur. Je pense qu'on a beaucoup souffert là, Hussein l'évoquait il y a quelques instants, on a beaucoup souffert du choix du transporteur Contrairement à Maxer, ils ont utilisé euh, une société de droit euh, nigérien. Euh, on n'a jamais su pourquoi on continue à donner des marchés à des gens défaillants On leur donnait pendant des années d'affiliés. Il y avait toujours des problèmes de départ. Je pense que cette année, on a essayé un transporteur nigérien, en tout cas qui s'est débrouillé, et, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième, c'est les personnes. Euh, je pense que Ben Salah est quelqu'un qui est bien connu dans l'espace public au Niger. Et donc, ça veut dire qu'on a agi Pour avoir été ministre... Il a été euh, membre du gouvernement, euh, tout à fait. C'est à la fois quelqu'un qui veut, il a aussi un nom à défendre. Il a quand même accepté ce poste-là. Ça veut dire qu'il s'est vraiment mouillé pour que les choses aillent pour le mieux. Le CNSP euh, a, aidé et je pense que on a aujourd'hui un résultat appréciable. Et donc ça montre que si vraiment on place les personnes, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, on prend un certain nombre de mesures, on peut corriger l'affaire du pèlerinage. Donc moi, je considère que ça donne l'espoir, ça montre que en prenant des mesures, on peut organiser un bon pèlerinage dans ce pays et c'est vraiment ça que je retiens moi de cette première phase. Hassan Boukara, quels sont à présent les autres défis qui attendent le, le je, je, pense qu'il faut, il faut bien préparer les gens c'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont jamais voyagé, qui prennent l'avion pour la première fois avec le, pèlerinage, les conditions dans les pays où ils arrivent. Il faut aussi rendre davantage le voyage crédible. Hein. Là, quand on parle de, de bail falsifié, etc., c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les gens qui font des efforts pour que tout aille pour le mieux, et de l'autre côté, des gens qui cherchent pour des intérêts mesquins, n'est-ce pas, à, saboter les choses. Donc il faut vraiment travailler avec les pèlerins, les travailler davantage, les sensibiliser sur ce voyage. C'est quand même un acte religieux de la plus haute importance. Il faut euh, davantage au sein de, cette commission d'organisation du Hajj et de la Oumra, il faut davantage mettre en avant des gens compétents, capables vraiment de mettre l'intérêt national en avant. Donc les, les, petits intérêts, les petites mesquineries que les gens font, parfois c'est ça qui s'allie en fait l'affaire. Donc vous prenez des gens dans des conditions, les gens quand ils payent l'argent du billet, ils ont joué leur rôle. À mon avis, ce serait justice de faire en sorte que les gens puissent voyager dans de bonnes conditions, être bien hébergés. Parce que parfois, ce n'est pas forcément visible. C'est en Arabie Saoudite aussi, parfois les gens sont mal accueillis. L'espace où ils hébergent, la restauration. Vous vous rappelez des années où il y a eu beaucoup de bruit sur la restauration, etc. Donc, à mon avis, il faut vraiment travailler euh, cette commission de façon à ce que le pèlerinage puisse se faire dans les meilleures conditions. On l'organise une fois l'année. <coughs> On peut quand même se donner les moyens de le réussir. Là, pour ceux qui ont encore la chance de vivre, il faut l'année prochaine. Il faut donc vraiment se donner les moyens de l'organiser. je pense que c'est possible. Merci beaucoup Hassan Boukara, Ablaï Soumana. Que faut-il faire pour que le Coho retrouve ses lettres de noblesse Oui, pour que le GO puisse retrouver ses lettres de noblesse, d'abord, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place du faux, qui doit euh, connaître... Est-ce que ça a été le cas on estime que pour cette fois-ci, c'est le, cas. le cas. Il ne faut pas aller trop vite en besoin, mais on estime que c'est le cas, l'homme qui s'y connaît. Deuxième euh, euh, chose, c'est qu'il faut euh, davantage sensibiliser les potentiels candidats au pèlerinage pour que certains comportements ne puissent pas, n'est-ce pas, être des, comportements avidissants n'est-ce pas, qui ternissent l'image de notre pays, soit décelés, n'est-ce pas, une fois en terre, sainte. je félicite également le, le GO hein, parce qu'on a enregistré des, des, morts, même si du fait de la... à la forte chaleur à la, forte chaleur, il y a eu des pays africains, des pays africains, n'est-ce pas, qui sont, qui sont sur la liste, qui ont été concernés. Et à côté de chez nous, à côté, le, Bénin. Donc chez nous, on a enregistré, en tout cas jusqu'à l'heure où on parle, on a enregistré zéro, zéro mort. Donc ça met vraiment à l'actif du, du, groupe qui, dans les conditions d'hébergement, quand même, c'est ça qu'il faut privilégier, les conditions d'hébergement, à pu mettre nos compatriotes pèlerins, n'est-ce pas, dans, de très bonnes conditions Merci à vous tous. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Merci à nos invités Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative et Abdullah Soumana, journaliste indépendant. Euh, merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs et internautes euh, pour votre fidélité au programme du studio Merci beaucoup à la technique assurée par Saini Saka et c'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.